D'abord, merci. Je, profite de l'occasion pour euh, vous souhaiter une bonne année à l'occasion de ce nouvel an. Et je dois rectifier déjà la nature de votre question. Ils ne sont pas venus ici pour frapper le macadam. En réalité, ils étaient venus ici pour nous souhaiter une bonne année, mais en le faisant avec fracas. C'est ce qui s'est passé et ça s'est démontré lorsqu'on a tenu la réunion de tout à l'heure. Alors dans la réunion, ce qui a été dit, c'était un retour sur le socle de notre relation avec ces individus. Et ce socle, c'est un accord qui a été signé le 20 avril 2019. Et ce qui a été mis en question, c'était la réaction de Sénélec par rapport au contenu de ces accords. Mais au cours de ces, entretiens, on a passé en revue l'ensemble des points de l'accord et il s'est trouvé qu'il n'y a aucun point où Sénélec n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités. En définitive, on a pu trouver un consensus. Et ce consensus, c'est quoi C'est que Sénélec s'engage à continuer sur la voie de la mise en œuvre des termes de ce protocole et ils seront là pour contrôler ce processus. Je crois qu'il n'y avait pas anguille sous roche. Et quel est le sort qui est réservé à ces agents-là Est-ce qu'ils sont recrutés totalement euh, une partie <laughs> Quel est le sort qui est... Non, mais je vous dis qu'il faut toujours revenir sur les termes du protocole. Et le protocole, il est clair. Il est dit que Sénélec, d'abord, ne réserve aucune exclusivité quand il s'agit de son processus de recrutement. En même temps, euh, de par sa nature d'entreprise de, de, sociale, elle va avoir un regard assez, assez appuyé sur euh, ces, ces recalés-là. Et à, chance égale, on va leur donner quand même un certain privilège. Il y aura une discrimination positive à leur égard. Mais ceci n'est pas un droit, c'est une faveur qu'on leur accorde. Donc le protocole sera mis Absolument. Il n'y a jamais eu de doute là-dessus. Absolument. Tu vois d'abord sargal ci comme vous dit, nous avons ñi nga xamante ni que ñu bokk ci collectif boobu ñu wax ñi nga xamante ni que dañ leen recalé alors bi ñu ñëwee ñoom dañ doon euh, mettitlu ni Senelec dafa respecté wul engagement yi mu jëloon ci kaw protocole bi alors ci biir waxtaan bi dañ jël protocole bi tekk ci kaw table bi jaar ci point bu nekk ñu taxaw ci waxtaan si ni leen est-ce que point bi Senelec def na li ko waroon wala déet mais bi ñu waxtaanee ba waxtaan bi antu gis nañ ni Senelec ci li ko li nga xamante ne que mu doon waru garam ci protocole bi def na lépp te ni mu ko defee woon ci ñaari at yi weesu noonu la fas yéenee di ko def aussi ci at bi ñu dugg mais lépp lu Senelec di def dafa am ci yoon bi muy tegu yoon boobu mooy li nga xamante ni dafay méngoog ay soxloom méngoog li nga xamante ni que conseil d'administration bii kilifaam permettre na ko mu def ko ci recrutement bi te su koy def nag bu boobaa du li nga xamante ni que droit la ci ñi nga xamante ni ñoom la ñu euh, recalé mais Sénélec dina leen xol su fekkente ni que ñaar ñu tolloo seen profil Sénélec dina jël ñi nga xamante bokku bokk nañ ci ñi ñu recalé koku da kay def pour jox leen tuuti avantage ndax relation bi mu am ak ñom waye lu ko weesu Sénélec amul fenn fi nga xamante que nekk na porte-à-faux avec le droit ou bien même avec les termes du protocole. léegi euh, euh, recrutement bi ñuy sàkk da ci jublu wala wala totalement ou en partie. bu soobee yàlla lépp li nga xamante ni mën nañ ko def. pour dugal leen si biir Sénélec te mu méngoog ni nga xamante ne que mooy sart yi nga xamante moo tëral suñu liggéey dinañ ko def te noonu la noonu lañ ko bindee ci protocole bi te ñoom d' accord nañ ci bu soobee yàlla dinañ ko def comme ni ko defee ñaari at yi weesu te wax nañ leen ñu jokkook suñu naatango bi directrice des ressources humaines yi nga xamante ne que moom taxaw na di leen xaar bëgg liggéey ak ñoom te bu soobee yàlla dañ ko def Abdou Aziz Fall